vous rappelez certainement de Idrissa C'est le concepteur de l'application Karatou Postbac. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim. Nous avions parlé, n'est-ce pas, de ses exploits. Il a conçu une application. Aujourd'hui, nous allons être dans le monde professionnel. Idrissa, ton frère Daouda Karimou te souhaite la bienvenue sur L'artiste s'exprime. Merci, merci en tout cas. Non, non, pas de quoi, pas de quoi, pas de quoi. Cool. On y va. Parlons un peu de tout ce que tu as rencontré comme difficulté de l'exercice de l'animation ou du journalisme. Parlons de ça. Qu'est-ce qui t'a amené dedans qu'est-ce qui m'a amené dedans ouais. Euh, je pense que j'ai été inspiré. J'ai été inspiré d'art. C'est toi qui m'as inspiré, je pense, en <laughs> partie. Et euh, le fait de passer euh, sur beaucoup, en tout cas, c'est avec toi que j'ai commencé à passer dans les émissions, dans hein. les émissions de télé. Ouais. Et ensuite, je voyais un peu ce qui se fait aussi euh, dans d'autres pays, parce que dans beaucoup d'autres pays, mhm. malheureusement, nous, on ne le fait pas localement, mais beaucoup de jeunes essayent d'apporter l'information à travers différents types de contenus. Mhm. Et aujourd'hui, on sait que le, contenu euh, média, en tout cas, euh, que ce soit de l'audio ou de, de, la vidéo, ça apporte beaucoup plus. Tout à fait. Et c'est beaucoup plus digérable pour les jeunes. Mhm. Et c'est pourquoi je me suis mis à la vidéo et du coup, j'ai voulu changer de cadre de l'application, passer mhm. aussi à euh, un autre canal d'information qui était les chaînes YouTube, ou euh, les médias sociaux euh, et aussi du coup à travers la télé, Bien sûr. De tout qu'on fait télé, oh, tu es kiffé. Je sais que tu es déjà connu de tous ces gens non qui ont l'habitude de nous suivre, hein, n'est-ce pas, à travers donc cette émission, c'est à travers ta rubrique. Hein, c'est notre conseiller académique. Il y a une partie, il vit en France, mais il est là pour une pour une cause. Il est de passage au Niger. Il va continuer ses études aux États-Unis. Alors, Idriss laoli on va parler donc un peu des difficultés que tu rencontres un tout petit peu parce qu'on sait qu'au gère c'est pas du tout chose facile. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Toi, si je te pose la question, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté Les difficultés, il y en a pas mal. Et, tu as bien fait de contextualiser parce que finalement, c'est encore plus compliqué quand tu fais du contenu éducatif. Mhm. Euh, c'est-à-dire un contenu qui n'est pas comique, qui ne fait pas rire, qui ne distrait pas. Ah c'est compliqué. Et quand ça ne distrait pas, les gens moins, passent moins de temps du coup à regarder ce que tu proposes, même si pourtant c'est c'est bien pour eux. Bien. bien sûr. Et euh, ensuite, en fait, euh, la deuxième difficulté, c'est les, les, personnes à interviewer. les Nigériens sont très timides. Les Nigériens sont timides d'une part, surtout qu'ils aiment cacher leur réussite. Alors que ils savent pas que leur réussite, leur parcours peut sauver tellement de gens. Oui, ça peut inspirer. Tout à l'heure, tu as dit que tu t'es inspiré déjà de ce que je fais. Exactement. Et là, tu es en train de faire autre chose. Exactement. Donc, du coup, dire que tu as réussi dans une chose aussi, il faut le faire. Euh, Voir. Voir euh, pour permettre à d'autres de t'inspirer et d'emboîter le pain Exactement. comme dit. Exactement. Ça fait partie des difficultés que tu rencontres. Exactement. Ça, c'est un. Et deux De deux, euh, la diffusion. La diffusion, comme tu l'as dit, euh, aujourd'hui, on diffuse les contenus un peu partout, mhm. mais ça prend pas forcément comme on le veut. Mhm. On n'a pas encore les dizaines de milliers de vues en une journée. Les, euh, la seule, la plus, la vue la plus vue, je pense qu'elle est à 2000 vues qui partent d'une bourse d'études. Euh, mais euh, on peut aller beaucoup plus loin, sachant qu'on a beaucoup de gens qui cherchent les informations qu'on publie. Mais malheureusement, ces gens-là ne, ne sont pas là. L'une de nos missions aussi euh, sur cette émission, c'est de vous donner la visibilité, vous, en tant que jeune, jeune entrepreneur. Alors, Drissa, est-ce que tu peux déjà nous faire part de ta page Facebook et nous parler de ta chaîne YouTube pour qu'on puisse donner aussi la possibilité à ces jeunes qui nous suivent à travers le site du studio Kalangu, ces jeunes qui nous suivent, euh, euh, n'est-ce pas, à la radio, n'est-ce pas, d'en savoir plus parce que tout peut partir de là, en fait peut partir là, bien sûr. Alors, nous, nos présences, déjà en termes de Facebook, c'est Karatu Postback, ça change pas, c'est K-A-R-A-T-O-U. Karatou Postback. Exactement, Postback. Et ensuite, euh, la chaîne YouTube aussi, c'est très simple, c'est Karatu Postback. Donc, euh, vous tapez Karatou Postback sur YouTube, on vous amène, c'est la seule qui porte ce nom. Donc, euh, qui est nigérienne aussi, du coup. Et vous allez facilement trouver ces contenus-là. Et pour vous donner un peu d'un aperçu, c'est qu'on publie les comment trouver une bourse, comment appliquer à une bourse, comment candidater à la bourse. On explique différents types de bourses, mais aussi on vous présente des parcours inspirants pour vous aider à tracer votre chemin. C'est pas du tout facile. On vous donne des tips, des, euh, astuces en tout cas pour réussir. Et euh, donc voilà. Après, euh, vous pouvez aussi télécharger l'application Karatu Back qui va vous ramener aussi vers tous ces réseaux sociaux là sur lesquels vous pouvez nous trouver et même les vidéos en fait et le site web aussi. Je pense que ce que tu dis est très important. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire dès maintenant. Allez-y, cherchez le savoir euh, jusqu'en Chine sur le faux. Idrissa, il a compris cela. Il a commencé par le Maroc. Il s'est retrouvé en France pour ses études supérieures. Il va se rendre bientôt aux États-Unis, à Boston ou Weston. <laughs> C'est Worcester, mais c'est à 30 minutes de Boston pour continuer ce qu'il a commencé. Il faut suivre l'exemple, mesdames et messieurs. C'était la machine, c'était l'ingénieur qui maîtrise la machine, machine, mais qui n'arrive pas à saisir la machine, machine N'est-ce pas Parce que le programme du studio est en continu, mais moi je peux m'éclipser à tout moment. Exemple, <laughs> je m'en vais. Na barka. Ah,